ne comprennent pas jusqu'à présent un problème sénégalais dans un état comme le Sénégal en France et ailleurs oui c'est du formalisme la présentation de la pièce d'identité pour certaines autorités Dans, c'est <laughs> attendez attendez même pour voter Mané, man président Macky Sall tey ñëwoon circulation bi may duy il y ma gis du ma permis une personne peut aller voter sans présenter sa pièce d'identité il est identifié et la carte d'identité. Il a été... mais attendez, pour voter majeur, majeur aussi, il faut pas. Non, non. Mané, Mané. Mais il y a des exigences pour voter. C'est une pièce d'identification. On vous donne le vote. À l'époque, il était qui Est-ce qu'il était président de la République à l'époque major Il était président quand il votait. Est-ce qu'aujourd'hui, un Sénégalais qui est maire ou une autorité peut aller voter sans présenter sa personne Ça, c'est extrêmement grave. Ça, c'est extrêmement grave, major. C'est extrêmement grave ce que tu affirmes. C'est extrêmement grave ce que tu affirmes. Mon cher, que les gens vont aller voter sans pièce. C'est extrêmement grave c'est extrêmement grave ce que tu as situation n'a rien à voir avec la pièce présente toutes les autorités du pays bu élection jotee qu'il ait 100 pièces d'identité c'est que tu essaies de nous faire croire. Merci, Major. exemple carte d'identité bobou il a voté. on est on comment ça se passait au Sénégal. il y avait deux pièces il y avait une pièce carte électeur à carte d'identité. D'habitude, man, assistant en tant que membre de bureau, quelqu'un est venu pour voter une pièce euh, électeur, on a appelé le sous-préfet. Effectivement, comme vous l'avez identifié, il a sa carte, il pour voter. carte ça se passe. D'accord, très bien. Comme la situation bi am, hmm. le leader, en fait, Ousmane Sonko, ben embrasement généralisé le bug créé. Actuellement, ce que l'État n'est arrêté, nous créons un troublement, nous, l'État

Bataille-bois qui euh, euh, honorable acte de rébellion je nga ko def def ku ne rebelle waruñu ko dindi ci vocabulaire bi ci la définition wu résistance la ci acte d'accord lo ci ku mën nako si Ousmane juste nécessaire que ni mom d'accordul ci gérer ñu la vent de rébellion dox est-ce que amna dara lu dindi il faut que ñu accepte ñuy jël wax diko duggal ko fa mu ne sans ñu jëlal ko diko yob fo foo xam seen dëkku fa dëkkaleewuma ko benn mouvement vent de rébellion la wax wala vent de rébellion mom non c'est clair et net non dafa lèr dama bañ de yob ko fa mu nekk indi ko fo xamné ne fa waxal résistance waxal résistance non du wax loolu vent de rébellion moom ma neex man terme boobu moom ma intéressé merci Kader les propos là c'était pour docteur parce que je savais pas qu'il est docteur en pharmacie là donc mhm. moko tay quoi di di di ne ko non, yi waxee affaire non dama xam nga docteur il sait que y a le protocole de Maputo là sur les viols. Mhm. sur les histoires de VSBG pas VBG. il y a VBG violence basée sur le genre et VSBG violence sexuelle basée sur le genre. c'est-à-dire quand un euh, protocole Maputo bi daf ne yow médecin bu nit dañ ko violer bu ñëw dañ koy def écovénage plus de lendemain nga def ko kit bi dafa am kit affaire sida ak yooyu pour la contamination. dafa dànk rek xam na li ñuy wax. ba pare jox ko wax ko mu raxasoo eau de javel quoi. Euh, moo yu mel noonu c' est un protocole ah. qui a été indiqué à Maputo. donc quand il parle du médecin c' est pour revenir au médecin là. le médecin il a fait qu'il y ait réquisition à personne qualifiée de l'OPJ ou pas mhm. moi, je suis réquisition personne qualifiée Moi, li ma OPJ j'en gendarmerie alkaat di bind soo amee lu ñu war recherche ñu demandé ko Ben qualifié ñu ne invité pour que tu fasses des prélèvements wala nga defal un certificat médical le docteur il a fait un protocole boo protocole bobu, protocole de ma photo, il m'a imposé tous les médecins yi defal visite nit koo xam ne dañ dañ ma violé donc moo prélèvement docteur bi def prélèvement les yoo xam ne am valeur boo xam ne dañuy mën dem en justice. donc on a une valeur juridique. dañuy dem justice. non non non day dem justice monsieur. Mané, ne bu ñu la gaañee mën nga bañ a dem gendarmerie ñu defal la. réquisition capitaine Touré l'a réfuté sax. ma capitaine Touré lu bay capitaine Touré c'est un OPJ. mais ça c'est inscrit c'est enseigné. moi je suis c'est moi qui ai fait le pro man maa defal cours officier de gendarmerie dans l'école école gendarmerie. c'est un cours d'OPJ. Mm-hmm. mais yo, même yo, kon tu veux dire que même si on on te à bon droit dem. Bouti Si, coup et blessure est accepté, mais, mais, mais, pas viol. Mais, mais le viol, c'est permis. Ah, la victime de viol non, peut aller... au procès. Entre le procureur et... le médecin qui a prêté serment, le biologiste qui a prêté serment. Vous, vous avez prêté serment. Dans le cadre dans votre métier, quand vous faites un document, le document fait foi. La réquisition à personne qualifiée, c'est une forme parce que tu as fait une plainte. C'est incident, ça complète la plainte. Mais la personne peut venir faire ça. Et il y a aussi l'ADN, c'est du sérieux, parce que vous savez que y a des, vous connaissez la chromatographe, vous êtes pharmacien, non c'est la chromatographie, c'est quoi C'est pourquoi Parlez de la chromatographie. Définissez et expliquez la chromatographie. À Pouchemès et à face gazeuse. les Sénégalais n'ont pas besoin de ça. les Gaï, ça entre dans ça. Non, les Sénégalais n'ont pas besoin de ça. à face gazeuse. Mais c'est des aspects techniques et scientifiques. Les Sénégalais n'ont pas besoin de ça pour comprendre ce qui s'est passé au procès. On va vous mettre à nu parce que l'ingénieur doit. sinon la ngeen jàngoon da ngeen koy nëbbu wala jàngu leen dara ba ngeen. non ba ngeen jàng. yow li ñu lay y a les sondes monolotistes et multi et multilotistes. wala ñu matériel la <laughs> bëgg ko wax nga jàng duñ ko d'accord. mais en terme la. non en terme clair. moom ni du bëgg discriminer mooy. Mm-hmm. prélèvement yi ñu avec ak sperme wax ak substance vivante yi. Mhm. compromettre mhm. et puis tant que ce monsieur là n'a pas été discriminé à ça. il ne se sent sortira pas de ce procès. je le dis hein, gis nga li non c'est clair il ne sortira pas donc ça veut mais dire jamais jamais que le premier s'attend à une condamnation tant qu'il ne se discrimine pas. sauf qu'il n'y ait pas de, de substances prélevées. Mais s'il y a des substances biologiques euh, comme Qui C'est le moment maintenant. C'est le moment maintenant d'engager le chef de labo. Mais, mais labo. Vous ah, Parce que analyse. pas. il faut attendez, mais je suis désolé. rien à voir avec le débat. Écoutez-moi bien. Mhm. yo vous prélever des substances sur Adji Vous l'ADN trouver mhm. vous trouvez ngay trouver vois il y a l'ADN de et l'ADN de la personne avec laquelle il a eu le rapport sexuel moom la ñuy denc ADN boobu yow xamagoo kan la si la personne soupçonnée voilà les personnes soupçonnées indi lettre 3 ou 4 mais est-ce que trouver l'ADN. mais au moment où au moment où Ousmane Sonko dit. au moment où le président dit. qu'il est dans les lieux le viol. Mm-hmm. c'est toute forme de pénétration contre la victime. par voie anal, buccale oreille narine tout acte de pénétration maintenant. pour attester l'acte de pénétration. Mm-hmm. la présence des ça atteste une éjaculation.

Donc il devait aller mm-hmm. se discriminer d'abord. Mm-hmm. Sinon, Mais le docteur dit qu'il n'a. On stipule sur ça, la fille avait consenti ou pas. Très bien. Et là-bas, du mm-hmm. vu de la relation de cause à effet, il y a ce qu'on appelle le dol. L'intention de violer est supposée. Très bien. Abdoulaye, euh, à l'issue de ce procès,